Assalamu alaikum. donc euh, man maa commencer commencé ma carrière avec les Niayes de Pikine dem à la SIB après ensuite je suis je suis allé avec la gendarme de Dakar ma suis gendarme de Dakar dem au Maroc joué avec le Raja de Casablanca J'ai deux saisons J'ai gagné la Coupe d'Afrique des clubs champions. Ensuite, je suis allé au Mas de Fès, au Maroc. Fofu ma gagné la coupe du trône la coupe du trône coupe comme dañuy coupe du Sénégal mais ma gagné la coupe du trône mon que comme le royaume la coupe du trône la voilà donc ma carrière qui est la jaar Niayes SAIB Jeanne d'Arc Raja de Casablanca dirige je le masque de Fès. Mais, si ça ma carrière aussi, j'ai beaucoup joué avec l'équipe nationale du Sénégal. Voilà, donc au Caire 86, déjà, j'étais là-bas. Dès que j'ai joué en équipe nationale en 1979, remplacé Grand Black 6, c'était entre le Maroc, entre le Sénégal et le Maroc, ici, à Dembo Diop. préparation Coupe d'Afrique la woon des nations éliminatoire quoi des nations voilà donc suma carrière foofu laa jaar quoi